je vous fais lecture du communiqué numéro 38 du mercredi 8 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 108 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit d'actes suivi par nos services 5 cas issus de la transmission communautaire. 8 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 244 cas ont été déclarés positifs, dont 113 guéris un évacué et donc 128 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention et collective. Madjangalène communiqué ministère de la Santé et de l'Action sociale si pays et mercredi 8 avril 2020. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot le résultat examen virologique Yime may Qui a lim ci téeméer ak ñetti test yi ñu def positif Manam, Nyarika cas contact yu jaxasoo ak ñu yore doomu jàngoro juróomi cas communautaire juróom-ñett si ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñi nga xam ne ñoo des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk am wàññi nañu téeméer ak ñeent